Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier euh, le maire de Thiès Ouest, remercier euh, les maires, les représentants des maires euh, de la mairie de Thiès Ville, les représentants des autres maires et aussi remercier le préfet du département qui a été représenté par Madame le préfet remercier l'inspecteur euh, d'académie, remercier donc euh, les principaux, les principales, remercier tout le monde, tous les agents de l'IAF, les inspecteurs, remercier donc euh, tout le monde de par leur présence, n'est-ce pas, pour venir donc marquer la cérémonie de relance du sport dans notre département. C'est pour dire tout simplement euh, que la relance du sport n'est ni fortuite ni gratuite. Euh, cela ressort d'un diagnostic. Nous avons vu qu'aujourd'hui, avant du moins euh, au niveau de l'élémentaire, la prise en charge de ce volet reste vraiment à, laisse à désirer parce que tout simplement les enseignants qui sont déjà titulaires du CAP ne le pratiquent pas bien seulement, cette discipline est pratiquée par les, candidats au CAP. Et qu'aussi, au niveau du moyen, là, le problème ne se pose pas. Cette discipline est complètement prise en charge par la pratique d'éducation physique et sportive. Et au regard de tout cela, le, gouvernement du Sénégal, à travers donc euh, le, ministre, le ministère de l'Éducation nationale, a jugé nécessaire de relancer cette pratique au niveau de nos établissements, compte tenu de ses vertus biologiques, compte tenu de ses vertus physiques et morales. Vous savez que euh, le sport, les vertus du sport, tout le monde le sait. Euh, s'il est vrai que un corps sain ne peut être n'est-ce pas, dans un corps sain et qu'un corps sain euh, constamment aussi en repos ne peut être sain. Donc nous devons promouvoir le sport dans nos établissements au grand bénéfice de nos enfants. Et compte tenu donc de tout cela, au niveau de la circonscription donc de thiès et conformément aux orientations du ministère de l'Éducation nationale, et euh, conformément aussi aux orientations de nos, du, niveau académique et aussi du, au niveau donc, de notre circonscription. D'ailleurs, ce volet est très bien pris en charge dans notre PTA. Nous avons organisé donc, euh, cette cérémonie pour relancer le sport au niveau du département de Thiès. Euh, des rencontres se sont tenues pour la mise en place du comité départemental donc, euh, de la relance du sport dans notre département. Et le plan d'action a été donc euh, ébauché. Et voilà, aujourd'hui, hier du moins, ça a été la relance, la journée donc de la relance du sport au niveau du département de Thiès. Euh, nous ici relance au sport scolaire, du euh, département de Thiès.

ñooy footballandoo nii si terrain bi nii si activité bu ñu woowee grassroots grassroots nag du lenn lu dul football boo xam ni xale yi dañuy ñëw rek pour découvrir ko ñu bëri si ñoom terrain yi njëkk football mais donc li leen intéressé du ku gagné kan moo gagné kan moo perdre du loolu lan leen moo mooy ñu dajaloo xamante euh, gisal ay ñeneen ñu bokkulul école euh, saafonteeg ñoom foog ñoom et loolu dafay bokk luy développer personnel ci xale bi c'est important tey ñu ñëw def ko si kanam autorité yi lu am solo la tey jii loo xam ni dina leen marqué sen vie projet grâce bi ñu pour permettre maximum de jeunes filles pour nous participer activité bi te tey jii je pense que ni am nañ sax félicitation niveau national bi pour liggéey bi nga xam ne def nañ ko si ñaari at yi léegi nag si des nag mooy ñu jéem a ah. consolider liggéey boobu nga xam ne defoon nañ ko ah, Tay moo tax ak IEF bu bees bi ak IA bi nga xam vraiment sportif la ak ñun le ministère des sports ñun service départemental, ak régionaux ñu ne nañ ñu fexee rek gën a pour que loolu mën a gën a jëm kanam parce que jàpp nañ ni champion yu suba yi fii nañ leen jëlee les grands champions du Sénégal si école de Léon, si nous continuons aussi si suñu continuer si nous mun nous amaat ay champions qui représentent le le Sénégal Nous tax nous leen pour que le projet soit plus pour que nous puissions ko def Sénégal pour que les Sénégalais Sénégal bénéficier de ce projet nous, ngi actuellement le lancement bi la xale yi ñi actuellement di jouer ci terrain à partir de la semaine prochaine sommes ci wàllu euh, élémentaire ci le moyen secondaire ak secondaire bi avons fait def ay compétition ci l'école. école et nous ngi koy prévoir sax ak pour que Thiès euh, structure ñiy jàng ñëpp mën a continuer def sport. Euh, dafa nekk leen loo xam ni dafay dajale ci terrain bi nga normalement ñaar équipe football ñoo koy ñoo ciy équipe bu nek am nga fuk ak ben mu nek ñaar fuk ak ñaar ci bi terrain bi ak arbitre bien sûr mu nek 25 mais fofu ñaar fuk ak ñaar di taxaw tay programme bi mën na wane ni ñaari téeméer xale mën na fi ñëw du ci jouer di laal bal bi pour lan parce que lolu day bolé xalé yu góor yi parce que ci euh, pratique bi dafa am âge bi benn at yi boo ko amee nañu boole football mixité après par la suite séparation ndax euh, la mais ci lii boo xoolee fii tey Thiès ñaar téeméeru xale ñu ci biir bi ci terrain bi terrain donc ku ci nekk la war wala ne li nga bëgg a def ci football war nga ko mën a def di ko laal te boo xoolee atelier li muy tourné nii li ngay def fii jàkkaarloo keneen boo demee ci benn atelier yi beneen beneen adversaire ngay am beneen adversaire ngay am beneen adversaire ngay am loo xam ne bu fekkee ne da nga ak mag ñi dangay ngay joué tey benn adversaire bi toog weer su ko joué ak moom wala nga toog 15 jours tey fii tey di nga joué lu mat 5 6 7 8 adversaire ci benn kii bi mu indi benn lëkkaloo indi xamee indi ci biir loolu nag. du ñom rek ñom ñoy di ko def mais ñi ci des ñepp ci lañ bok ñi leen di ñi nga ne nañ ci ci quartier ba sen papa yi yaay ak ki fi jangal deug deug deug jeu bi waaw jeu bi duñ wax taxawal nangam nangam comme ko nga koy waaw euh, but permettre le plus grand nombre de joueurs.

Euh, j'étudie au lycée d'excellence privé Cher à J'ai fait la classe de 5e B. Euh, c'était bien intéressant. En plus, coach, Bar barre,